le forum du studio le forum du studio Calam. le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Istudio Kalangou qui sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les huit régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Estudio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum d'Istudio Kalangou a pour thème Enquête 2018 d'Afrobaromètre, procédure résultats et impact sur le développement du Niger. Des conditions de vie défavorables et une administration corrompue, c'est ce que pense plus de la moitié de l'échantillon des Nigériens interrogés lors de l'enquête menée par le réseau panafricain de recherche dénommé Afrobaromètre. Des conclusions présentées le 5 janvier à Niamey au siège du laboratoire d'études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local, avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre euh, ce que c'est que l'afrobaromètre, son utilité, comment les enquêteurs procèdent, que disent euh, les résultats, les impacts sur l'administration, les affaires, l'image du pays et pourquoi pas ce que cela peut représenter pour un Niger en développement. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Ali Bako du laboratoire d'études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL. Ali Bako, bonsoir. Bonsoir. Maman Wada de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption ANLC, la section Niger de transparence Internationale. Maman Wada, bonsoir. bonsoir. En ligne, nous avons Soule Oumarou, président du Forum pour une citoyenneté responsable FCR. Soule Oumarou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Ali c'est quoi l'afrobaromètre, son utilité, comment les enquêteurs procèdent dans leur mission Merci beaucoup Mokhtar, merci au studio Kalangou de nous avoir donné cette opportunité d'expliquer aux, auditeurs. et aux, citoyens nigériens ce que c'est donc Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains qui mènent des enquêtes, des séries d'enquêtes sur euh, la gouvernance, les conditions socio-économiques, la politique et tout ce qui concerne le développement socio-économique d'un pays. Et c'est des enquêtes, je, je l'avais dit tantôt, d'opinion que nous menons. Afrobaromètre a été lancé en 1999-2000. Maintenant, il a 18 ans. Et au départ, c'était dans 12 pays qui a été lancé. Aujourd'hui, nous sommes présent dans 36 pays en Afrique. Et donc, Afrobaromètre, c'est justement produire des données brutes de terrain pour permettre aux décideurs, aux académiciens, aux citoyens, aux étudiants de pouvoir utiliser ces données et faire des analyses pour comprendre les situations économiques et politiques du pays, ainsi que des domaines comme la gouvernance, l'éducation, l'environnement. Et donc, voilà c'est que c'est C'est des rapports annuels euh, ou pluriannuels Bon, la périodicité n'est pas euh, très fixe parce que comme vous le savez, Afrobaromètre n'a pas un financement autonome. Nous faisons appel à des bailleurs qui nous financent. Donc, en fonction des, financements, nous menons les enquêtes. En principe, c'est tous les ans que nous menons les enquêtes. Mais il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Si vous prenez par exemple le Sénégal, avec lequel les enquêtes ont commencé, le Sénégal est à son... Non, je dirais plutôt c'est le Mali. Le Mali est à son septième round. Alors que nous, au Niger, nous sommes au troisième round. Au Niger, on a mené des enquêtes en 2013, en 2015 et en 2018. Et donc, les enquêtes, c'est vraiment des enquêtes par pays et les thématiques concernent tous les pays. C'est-à-dire que le, questionnaire que nous, que nous administrons aux, populations, il est à peu près le même dans les 36 pays. On a juste une petite opportunité d'augmenter sur la centaine de questions, euh, une dizaine de questions qui sont spécifiques au pays. C'est ce que nous appelons les questions, les questions spécifiques c'est-à-dire le Niger, en fonction du contexte socio-économique et politique, nous choisissons un domaine dans lequel nous posons des questions qui relèvent exclusivement du contexte nigérien. La même chose pour l'autre pays. Mais sinon, dans la quasi-totalité du questionnaire, les questions sont les mêmes. Et cela nous permet de comparer secteur par secteur. On peut prendre le secteur de l'éducation. C'est les mêmes questions qui sont posées, eux, au Niger, eux, au Burkina et au Mali. Et nous avons une perspective comparative entre ces pays-là. Donc, pour revenir aux enquêtes, la démarche méthodologique est la même en fonction de la population du pays. Par exemple, pour des pays qui ont autour de 20 millions d'habitants, l'échantillon est de 1200. Mais si vous prenez des pays qui, qui, ont une population plus grande comme le Nigeria, on peut aller jusqu'à 2400. Et donc, vraiment, c'est une méthodologie bien maîtrisée et qui est très fiable. Et donc, l'ensemble des questionnaires et des répondants seront aléatoirement choisis. Donc, c'est vraiment une gestion aléatoire. Tout ce qu'on influe, c'est le sexe. Là, on s'assure que on va interroger 50% d'hommes et 50% de femmes. Et l'administration du questionnaire plutôt est faite dans les langues du pays. Et donc les questionnaires ici, avant d'aller sur le terrain, sont traduits dans les différentes langues du pays. Et les enquêteurs sont formés pour l'appropriation du questionnaire, pour être sûr que et le, le, répondant et l'intervieweur ne se trompent dans la réponse que, que l'enquêteur va donner. Et donc c'est un instrument d'enquête standard, hein, reconnu par les pairs et authentifié comme étant très fiable, parce que nous avons une marge d'erreur de 3% et une fiabilité de 95%. Et ce travail n'est pas fait par l'équipe du LASDEL seulement. Je vous ai dit, c'est un ensemble de chercheurs et la méthodologie, elle est suivie par plusieurs chercheurs et adoptée. Et donc, le LASDEL est le partenaire national de Afrobaromètre. C'est-à-dire que si Afrobaromètre veut mener des enquêtes au Niger, elle passe par le LASDEL. Mais la formation des enquêteurs, la détermination du questionnaire, c'est tout le réseau qui produit les questionnaires, c'est le réseau qui produit la méthodologie de, de collecte des données, et nous nous appuyons sur des institutions crédibles, nationales, pour l'échantillonnage. C'est-à-dire nous nous appuyons sur l'Institut national de la statistique pour nous fournir les cartes censitaires, pour nous faire le dénombrement. Et c'est sur la base de, ces documents et de cette expertise de l'Institut national de la, statistique que nous, nous allons sur le terrain administrer les questionnaires. Voilà de manière succincte ce que c'est Afrobaromètre et notre méthodologie. Ali Bako, que disent les résultats, les impacts sur l'administration, les affaires et l'image du pays vous savez, les résultats, euh, je le rappelle, c'est vraiment des opinions. Je voudrais ici profiter de votre micro pour lever les équivoques, que ce n'est pas une enquête analytique du LASTEL. On n'a rien analysé. On a bien dit que ce sont des résultats bruts et que nous, nous produisons ces résultats à l'intention des décideurs, des journalistes, des académiciens, des étudiants, pour que quelqu'un qui travaille sur l'éducation puisse venir sur le site www.afrobaromètre, taper le, pays Niger et voir toutes les composantes de l'éducation. On a posé des questions et on a des diagrammes, des chiffres. Il peut s'en servir pour écrire son article ou son mémoire. Je vous dis, c'est des données fiables, 95% fiables. Et donc les résultats, les résultats sont nombreux. Hein. Les résultats sont nombreux puisque je vous dis que c'est plus de 100 questions. Et, tous les domaines sont concernés la gouvernance, l'éducation, l'hydraulique, la santé. Le cas de la gouvernance et la, corruption. Voilà. Euh, je vais en venir, Monsieur Mokhtar. Mhm. Pour ce qui est de, notre procédure, nous faisons euh, en fonction de notre agenda et de, nos possibilités, des, ce que nous appelons des disséminations. C'est-à-dire pour que le public sache qu'on a fait un travail et qu'on veut mettre à sa disposition les résultats de ce travail-là. Et donc, cette année, on a prévu deux disséminations. Et les deux disséminations, elles vont se tenir en janvier. Je vous dis que c'est un problème d'agenda. On a un peu concentré ça sur le mois de janvier. Normalement, le 30 janvier, nous, aurons notre deuxième dissémination. Mais pour revenir à la première, on avait choisi trois points. Et ces choix-là, ils ne se font pas au hasard. On analyse la situation euh, du pays sur le plan de la gouvernance, des conditions socio-économiques, et on prend des thématiques qui peuvent accrocher qui peuvent attirer l'attention des décideurs, des journalistes, des étudiants, de la société civile pour qu'ils puissent susciter un débat. C'est ça notre objectif de l'Afrobaromètre. Si vous voyez sur notre logo, c'est donner une voix au peuple. C'est ça notre slogan, l'afrobaromètre. C'est-à-dire donner une voix au peuple, le peuple s'exprimer sur des questions que même s'ils ne maîtrisent pas souvent tout le contenu, quand même, ils ont le, droit de s'exprimer par rapport à une situation. Et donc, après analyse, on a dit qu'on va faire une première dissémination sur, sur trois points sur les conditions économiques du pays parce que ça a soulevé beaucoup d'encre et de salive. Hein. Ça fait beaucoup verser beaucoup d'encre et de salive sur cette question du roi des finances, sur les conditions qui s'édurcissent. Voilà. Et on a dit que c'est un sujet d'actualité. On va montrer aux Nigériens ce que notre échantillon de 1200 personnes a dit sur les conditions économiques et les conditions de vie des citoyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est dans un pays où euh, les débats autour de la corruption bien qu'ils soient anciens, sont toujours d'actualité. Et donc on a dit, bon, on va voir ce que les Nigériens ont dû par rapport sur la corruption. Parce que, comme vous le savez, les médias et les cadres de, de prise de parole sont plus concentrés dans les centres urbains. Or, nous, notre enquête a concerné plus le milieu rural que le milieu urbain. Et donc, on a dit pourquoi pas ne pas mettre à la disposition des Nigériens les points de vue de cet échantillon-là, du plus profond du Niger, pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent de la corruption. Et donc on a choisi la corruption comme deuxième point. Et le troisième point, on a choisi des questions comme, qui concernent l'autosuffisance alimentaire, l'accès à la nourriture, des conditions basiques de vie. Et donc voilà les trois points sur lesquels on a articulé notre dissémination. Et il ressort de manière succincte, hein, pour ne pas trop mobiliser la parole, qu'au moins la moitié des Nigériens pensent que les conditions économiques du pays et leurs conditions de vie sont très mal une détérioration frappante par rapport aux années précédentes. Si on dit par rapport aux années précédentes, on a des, documents et des chiffres sur lesquels on parle. Et tout à l'heure, je vous avais dit que nos productions de données d'afrobaromètre, c'est dans une perspective comparative. Et donc, on a comparé nos données de 2018 à celles de 2013 et celles de 2015. Et on a vu que les conditions, départ les, les perceptions des Nigériens, ont carrément chuté. Parce que euh, en 2013, il y avait plus de la moitié des Nigériens qui disaient que, à peu près plus de 100 qui disaient que leurs conditions sont bonnes donc, on a vu qu'à s'est détérioré. Maintenant, aux politiques, à la société civile, aux étudiants, aux, chercheurs, d'aller investiguer sur la base de ces données pour comprendre le pourquoi, et les causes et les conséquences de ça. Justement, c'est ça notre objectif. Ali euh, d'après cette enquête, plus de 60% des personnes interrogées pensent que l'administration nigérienne est corrompue et que cette corruption touche les gendarmes, les policiers. Quels sont les critères d'appréciation Ce sont les mêmes. Hein. On vient on te pose la question, qu'est-ce que tu penses de la corruption Selon toi, quel est le corps qui est le plus corrompu Et nous, on prend, on n'analyse rien. On ne te dit pas pourquoi, on ne te dit pas comment. C'est ta perception, c'est ta parole, c'est ton point de vue. Et c'est comme ça qu'on analyse les, résultats, on les, cadre par thématique et on les met à la disposition du public. Maman Ouada, quelle est la position du Niger sur le plan de l'indice de perception de la corruption en Afrique euh, merci Studio Kalangu. Pour parler de la corruption, je dois dire que la corruption, comme la définition au niveau de transparence internationale, parce que le problème de la corruption, c'est même sa définition, il y a beaucoup de définitions. Euh, la corruption, c'est l'abus d'un pouvoir reçu en délégation à des fins personnelles. C'est-à-dire, on vous confie une responsabilité à un point précis, en classe. Responsabilité publique. Publique, bien entendu. À un endroit précis, dans une classe, dans un dispensaire, euh, au tribunal, euh, au bord de la route, partout. On vous confie une responsabilité et vous l'utilisez à des fins personnelles. Cela veut dire que vous contournez la loi qui vous rapporte quelque chose, ce contournement vous rapporte quelque chose, vous et votre famille, vous êtes dans des potions de corruption. Et ça réveille beaucoup d'infractions. En tout cas, au niveau de transparence internationale, c'est le détournement des données publiques, c'est le trafic d'influence, c'est les pratiques de pots de vin, c'est l'enrichissement illicite, tous les trafics illicites que vous connaissez, ainsi de suite. Donc, tout ce qu'il y a comme contrement de la loi, n'est-ce pas, dans un intérêt personnel, rentre dans le cadre de la corruption. Deuxième aspect, c'est que la corruption est un pacte secret entre deux personnes. On ne fait pas la corruption à trois, sauf si on a atteint un certain stade de réunion de l'État, des lois de la République, etc on bafoue tout le monde, on bafoue l'ordre républicain. Là, on peut les faire même en réseau, en groupe. Mais c'est généralement entre deux personnes. Le corrompu et le corrupteur. Voilà, de sorte que pour connaître le phénomène de corruption, il faut enquêter, il faut investiguer. Et je pense que c'est dans ce cadre qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, l'afrobaromètre. C'est un travail d'abord scientifique, un travail technique pour identifier le phénomène pour identifier le problème. On ne peut pas se mettre comme ça à crier qu'il y a la corruption, il y a le vol, il y a ceci, si vous n'avez pas identifié le phénomène. Le travail scientifique permet de connaître le phénomène sans se tromper. Et c'est comme ça qu'on peut agir sur le phénomène. Vient ensuite la décision politique et l'action judiciaire. Voyez-vous. Donc c'est un travail rigoureusement scientifique d'abord, avec sang-froid, sans état d'âme, et ensuite la décision politique et, judiciaire. Voilà comment il faut comprendre la lutte contre le phénomène de corruption. Tant qu'on n'est pas inscrit dans cette logique, on ne peut pas s'en sortir. Il faut détecter. Une fois que c'est détecté, il faut agir. Connaître et agir. L'indice de perception de, transparence internationale, le dernier indice, l'IPC. Nous avons plusieurs outils. Nous avons l'IPC, l'indice de perception de la corruption. Mhm. C'est ce que les gens connaissent le plus. Nous avons le baromètre aussi. Ça, les gens ne connaissent pas. Le baromètre, comme il l'a dit, c'est un sondage. Un sondage d'opinion sur un échantillon représentatif. Donc, c'est des données scientifiques. Mais c'est de la probabilité, c'est des données scientifiques. Et il y a l'indice des pays exportateurs. Parce que même les pays exportateurs sont analysés sous l'angle de la lutte contre la corruption il y a des pays qui sont euh, réputés euh, corrupteurs dans le monde. Il y, a, il y a le rapport mondial. Le rapport mondial, c'est le rapport thématique. Par exemple, on dit cette année, on va prendre le secteur de la santé, la corruption dans le secteur de la santé. L'année passée, on dit c'est dans l'éducation. Prochainement, on va dire la corruption dans le secteur de la construction, du bâtiment, etc. Voyez-vous. Voilà les outils de mesure du phénomène de la corruption je me résume pour dire qu'il y a d'abord, avant tout, un travail scientifique pour détecter le phénomène de corruption. Il faut que les gens comprennent ça comme ça. Et ensuite, la décision. Donc, le Niger, dans le dernier indice de perception de la corruption, puisque c'est de ça que je veux parler, le Niger est arrivé 117e sur 180 pays. Le Niger a la note de 34, je crois, 34 sur 100. Et cela veut dire que le n'a pas la moyenne. Hein, pour un enseignant, quand on a 34 sur 100, on n'est pas un bon élève. Cela veut dire quoi Cela veut dire que la corruption a gangréné tous les secteurs de la vie nationale. Cela veut dire que la corruption est endémique. On est plus dans la corruption que dans, dans une autre situation qui est hors corruption. Donc le rapport de barmètre ne nous a pas surpris. Et en Afrique, puisque c'est la question que vous me mm-hmm, posez, mm-hmm, mm-hmm. en Afrique, il y a que cinq pays hein, qui ont la tête presque hors de l'eau. Le premier qui a la tête totalement hors de l'eau, c'est le Botswana. Après le Botswana, vous avez l'île Maurice. Après l'île Maurice, vous avez les Seychelles, vous avez le Cap Vert. Ensuite viennent des pays comme le Rwanda, le, Sénégal et le Ghana. En dehors de ces pays, tous les autres pays que vous voyez là, ils n'ont pas 40 points sur 100, c'est-à-dire 4-10. Donc, c'est des pays qui sont totalement euh, euh, au fond de la mer hein, par rapport à, la corruption. Ils sont totalement euh, gangrénés, ils patogent dans la corruption. Et le travail qu'il faut, à, notre avis, c'est d'aller dans le sens d'une lutte efficace. Alors vraiment sans merci, sans état d'âme contre la corruption, si nous voulons sauver le développement. Cela me met en rapport avec la thématique de LASDEL la connaissance du phénomène de corruption va ouvrir la fenêtre sur le développement. Plus il y a la corruption, plus il y a la pauvreté, et moins la lutte contre la pauvreté est efficace. Et c'est en cela justement que ce travail est, très rigoureux et très scientifique. À vous comprendre, Maman Wada, le Niger ne fait que régresser, euh, il n'y a pas d'avancée. Non, on ne peut pas parler d'avancée, en tout cas par rapport à la lutte contre la corruption. Même s'il y a des actions qui ont été menées nous avons un effort institutionnel. Il y a beaucoup d'institutions qui luttent contre la corruption. Il y a les services traditionnels qui sont là, il y a la Alcia, il y a la ligne verte, n'est-ce pas Il y a la et bien d'autres services, n'est-ce pas, pour lutter contre la corruption. Il y a des réformes des textes. C'est vrai, de ce, point de vue-là, il y a une sorte de dynamique. Il y a les pôles judiciaires en matière euh, économique et financière n'est-ce pas, contre la corruption, il y a la lutte contre le terrorisme, le trafic. et bien entendu, il y a beaucoup d'institutions au Niger, n'est-ce pas, qui concourent à lutter contre le phénomène de corruption. Il y a des réformes de textes, n'est-ce pas, qui concourent à, à réduire le phénomène de corruption. Mais la corruption avance. Cela veut dire qu'on n'agit pas sur elle. Cela veut dire que ces institutions et ces, ces lois ne sont pas appliquées rigoureusement, telles que c'est prévu, voyez-vous si cela est appliqué, forcément, on va sentir des changements. Souley Morou, quels sont les défis du Niger en matière de lutte contre la corruption Je tiens d'abord à vous remercier pour cette initiative euh, d'organiser un débat autour, en tout cas, non seulement de la conclusion euh, des afro-baromètres, mais aussi autour de la thématique euh, principalement de la corruption. Je voudrais également saluer le fort, en tout cas, de révélation du niveau de corruption, n'est-ce pas, donc à travers euh, cette euh, enquête euh, menée par la baromètre et vraiment les féliciter et les encourager justement à continuer dans cette perspective. Je voudrais enfin remercier M. Wada, en tout cas pour l'explication, je dirais, brillante sur, en tout cas, la thématique de la corruption à travers le sens même perceptible de la corruption, mais aussi les causes et en tout cas les fondements de cette corruption. Donc je pense bien que, euh, en tout cas au Niger, la question de la corruption, c'est une question à grand enjeu, puisque vous savez quand même que le Niger, euh, comme d'ailleurs beaucoup de pays africains, euh, aujourd'hui sont en situation de crise aiguë euh, vous connaissez en tout cas euh, les différents euh, engagements que le gouvernement a pris dans le cadre, n'est-ce pas, donc, de redresser un peu la situation économique du pays. Donc, à ce niveau, je pense bien qu'il est impératif et important que des efforts importants soient menés pour juguler la pollution. Vous avez entendu M. Wada dire que les dispositions juridiques sont là, les institutions de lutte sont là, euh, je pense bien qu'il y a une volonté politique, mais c'est surtout l'action qui manque. Parce que, si comme vous le savez, personne en tout cas n'est favorable à la corruption, même que ce soit le corrompu ou le, le corrupteur. Si vous les approchez, tout le monde condamne de façon inanime la corruption. Mais les actions qu'il faudrait mener contre cette corruption, ce sont ces actions qu'il n'y a malheureusement pas et qui ne sont pas, même si elles sont là, qui ne sont pas efficaces. Donc je pense bien que c'est une situation inquiétante au vu en tout cas des, conclusions qui sont sortent et même la situation du Niger sur le plan international en matière de corruption. Je pense bien que pour nous, l'effort à faire, c'est peut-être de mener un certain nombre d'actions qui va influencer le pouvoir politique, le décideur politique pour agir. Parce que, effectivement, de mon point de vue, c'est l'action qui manque euh, en, cette matière. Sule Oumarou, est-il facile aujourd'hui d'éradiquer le phénomène de la corruption au Niger La corruption en tant que telle n'est pas un phénomène facile. Alors ce qui n'est pas facile ne peut pas être éradiqué de façon facile. Je voudrais aussi rappeler que tout à l'heure, Wada a dit que la corruption se passe entre deux personnes. Et parmi ces deux personnes, au vu en tout cas de disposition de la loi, personne ne va signaler. Donc c'est un phénomène complexe qu'il faut d'abord identifier, il l'a dit. Mais même pour l'identifier, c'est difficile si ce n'est que dans des rares cas d'enquête, n'est-ce pas, comme c'est le cas que à la fois baromètre a été fait. Donc un phénomène qui est difficile même à comprendre, qui est difficile à détecter, il serait donc difficile à combattre. Mais comme je l'ai dit, et il y a un adage qui dit à cœur vaillant, rien d'impossible. Et comme on le sait que ici, l'élément moteur en matière de lutte contre la pollution, c'est le politique. Je pense bien que lorsqu'il y a une forte volonté politique et lorsqu'il y a des dispositions de loi efficaces, je pense bien qu'il est possible, je dirais, de réduire justement la pollution. mais l'ambiguer. La pollution, c'est euh, un phénomène aussi vieux que la planète. Donc, pour, de mon point de vue, c'est pratiquement impossible de, faire disparaître totalement la police. Ali Bakou, que peut représenter ces résultats que vous venez d'étaler pour un pays en développement euh, justement, vous savez, l'objectif, l'objectif de, Afrobaromètre, justement, c'est pour aider les pays en développement en termes de gouvernance. Parce que vous savez, la gouvernance, c'est très important. Parce que quand il y a un manque d'injustice et que tout le monde a droit à la parole, ça permet de dégager certaines frustrations et de pouvoir euh, être mieux concerné par les actions de développement et de citoyenneté. Et donc, Afrobaromètre, c'est ça le premier objectif c'est mettre euh, des, outils à la décision, mais aussi euh, informer euh, l'opinion publique nationale et internationale sur des situations que vivent les populations. C'est ça l'objectif premier. Maintenant, au-delà de, cet objectif d'information, de donner la parole au peuple, nous pensons que nous sommes quand même des institutions de recherche et que, indépendamment de, notre appartenance à Afrobaromètre, nous menons des recherches sur des aspects de vie socio-économique du Niger, et notamment puisqu'on parle de la, de la corruption. Le LASDEL a, fait beaucoup d'enquêtes sur la corruption. On a fait la sortie de ce qu'on appelle les études et travaux sur la petite corruption au Niger. Il y a, des chercheurs qui ont écrit des articles sur, la corruption. Je, je, me rappelle l'un des articles du professeur Tijani Alou sur la justice au plus offrant. Et donc, ces questions de corruption, je vous dis, ça fait longtemps qu'on qu'on en discute. Ça fait longtemps que, mais c'est difficile. C'est difficile, mais bon, c'est c'est un processus. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. L'État met les institutions en place, la Alcia, tout ce que Maman Oda a cité. De plus en plus, les citoyens ont, on droit à la parole pour dénoncer, pour, pour critiquer pour faire peut-être des propositions, parce que la société civile est aussi là pour proposer, faire des propositions, dénoncer. Et donc, mais c'est vraiment une conjugaison de plusieurs facteurs. Hein. Plusieurs facteurs, parce qu'il y a des, des, concepts comme la citoyenneté, il y a aussi la formation. Vous savez, c'est un ensemble. Parce que si on forme des mauvais enseignants, ça veut dire qu'ils vont former des mauvais élèves. Si on forme des mauvais juges, ça veut dire qu'ils vont mal juger. Si on forme des mauvais... Voilà. Vous voyez, c'est un ensemble. Il y a la formation, il y a l'éthique, il, y a le civisme, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et, de par l'histoire sociopolitique de notre pays, on a vu que ce sont des valeurs qui ont été perdues euh, à un certain moment de l'histoire du pays suite à des crises conjoncturelles ou que ce soit politique ou économique. Et donc ces valeurs-là, euh, comme vous le savez, il y a quelqu'un qui dit que c'est plus facile de détruire que de construire. Et on a perdu des valeurs et on va mettre beaucoup d'années à, reprendre ces valeurs-là, à avoir ces valeurs-là. Je me rappelle, ça ne fait pas, ça fait quoi, trois ou quatre ans, le Premier ministre, à, travers le, Haut Commissariat à la modernisation de l'État, avait demandé au LASTEL de faire une enquête sur les comportements des fonctionnaires au quotidien. On a, fait, on a fait cette enquête qui a été riche en informations sur, même si c'est des, des pratiques que les gens connaissent et vivent, mais on, a réussi quand même à l'écrire et à la documenter. Et cette, étude, commanditée par le, le a fait l'objet d'une restitution publique à l'Académie des arts en présence du Premier ministre et de, certains ministres, des directeurs centraux, pour montrer euh, le comportement euh, de nos fonctionnaires au quotidien et voir comment on peut remédier et remettre les Nigériens au travail. On a fait des, restitutions euh, ciblées au niveau du ministère de la Santé, au niveau des, services du Trésor, au niveau du ministère des Affaires étrangères, pour que les fonctionnaires, les citoyens se rendent compte que on est en train de mal se comporter par rapport à l'administration publique et qu'il faille trouver des mécanismes de redressement. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que c'est des actions qui méritent d'être continuées et par la société civile, et par les, intellectuels, les chercheurs, et par l'État même, pour qu'on euh, crée un climat de citoyenneté, de civisme et aussi lutter contre la pauvreté parce que pour revenir aux études de, Afrobaromètre, on a remarqué que la majorité des répondants qui disent qu'ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire et que la Halcia ne peut rien faire pour les protéger de la corruption, c'est qu'ils sont quand même à deux tiers pauvres et analphabètes. Et donc, on voit que la pauvreté et le manque d'instruction, quand même, peuvent pousser des, citoyens à un certain fatalisme par rapport à une situation qu'ils subissent puisqu'ils ne peuvent plus réagir. Ils subissent une situation et du coup, ils deviennent fatalistes. Voilà ce que je peux dire. Maman Wada, y a-t-il d'autres causes que beaucoup de Nigériens ignorent en ce qui concerne la corruption Les causes de la corruption sont nombreuses. la première cause, c'est le manque d'intégrité. Quand on est malhonnête, quand on n'est pas intègre, quand on n'est pas but de valeurs, n'est-ce pas, qui forme l'être humain, hein, en ce moment, on s'adonne à la corruption. Et comme il dit, nous avons perdu nos valeurs. Hein. Est-ce que la société n'est pas coupable de cet état de fait oui, c'est vrai. Euh, la société, mais il y a beaucoup de contingences. Il y a l'impact, euh, l'environnement extérieur, il y a les besoins, il y a la gestion des hommes. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, n'est-ce pas Et, et aujourd'hui, il y a une espèce d'inversion des valeurs. C'est-à-dire celui qui vole, celui qui triche, c'est celui-là qui est le mieux vu par la société. Hein, celui qui lutte contre la corruption, celui qui cherche à être intègre ou à être davantage intègre, le prend comme euh, un extraterrestre. Hein, quelqu'un qui n'a rien compris de la vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est la course à l'argent. Et c'est ça justement qui fait du gain facile, la recherche du gain facile comme la deuxième cause, nest pas, de la corruption. Et la troisième cause, c'est la méconnaissance des droits, l'ignorance dont il a parlé. Hein, quand euh, on n'a pas de masse critique des citoyens qui connaissent leurs droits, évidemment, la corruption va se développer et va s'amplifier. Voilà, je veux dire essentiellement les trois causes. Sinon, il y, en a plusieurs. D'aucuns parlent de, de, la pauvreté. La pauvreté, c'est un vecteur, ce n'est pas une cause, puisqu'il y a des pauvres honnêtes, hein, n'est-ce pas et d'autres parlent de la recherche effrénée de l'argent, le, désir d'accumulation. Parce que là, là c'est les grandes firmes, c'est ceux qui ont des moyens qui font la corruption. Parce que ici, le mécanisme de l'accumulation des richesses, n'est-ce pas, à l'échelle mondiale, fait que, bon, on utilise la corruption pour réussir. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Mais je peux dire que chez nous, on peut retenir les trois facteurs le manque d'intégrité, la recherche du gain facile et l'ignorance. Monsieur le en tant qu'acteur de la société civile, qu'est-ce que vous faites pour réduire au mieux la corruption au Niger Merci beaucoup, euh, Monsieur Mokhtar. Je pense bien que euh, les canaux que nous suivons, en tout cas pour euh, réduire la corruption, c'est d'abord les canaux de sensibilisation, parce que vous avez entendu quand même un peu les causes de la corruption, comme Wada l'a dit. Il faut d'abord sensibiliser l'opinion parce que la perte de ses valeurs, le manque d'intégrité, c'est d'abord, à notre avis, la sensibilisation qui est le premier canal par lequel il faut passer. Il faut amener les gens à comprendre que les conséquences de la corruption, parce que euh, lorsque la corruption gangrène une société, il est évident que il n'y a pas de voie d'ici, surtout pour les, les couches les plus défavorisées. Donc, il faut faire en sorte que l'opinion, de façon générale, soit sensibilisée, que ce soit les décideurs, que ce soit les citoyens, il faut les sensibiliser. Deuxièmement, nous agissons à travers le politique, à travers donc des plaidoyers et un certain nombre euh, de communications, je dirais voire même des lobbying à travers les acteurs politiques euh, pour que des décisions favorables à la lutte contre la pollution soient prises. Troisième niveau, c'est aussi les actions contre, n'est-ce pas, donc cette corruption, notamment la dénonciation, et la dénonciation que nous faisons à travers les déclarations contre justement les actes de, détournement, contre, euh, ma foi, les actes de, corruption, les actes de vol, etc. Tout ça parce qu'il vous a dit effectivement, et la course est effrénée vers la richesse puisque le repère aujourd'hui, c'est l'argent. Il n'y a pas de dignité, il n'y a pas d'honneur pour euh, dans l'esprit général que pour celui qui a de l'argent. Donc, cette course effrénée vers la richesse fait que euh, les valeurs sont laissées de côté. Ma foi, il faudrait euh, agir pour qu'il ait, et je dirais, des exemples. Il faut agir sur les politiques. Il faut aussi interpeller la justice pour qu'il y ait des sanctions modèles qui vont, comme je l'ai dit, et tout à l'heure dissuader justement les actes de caution. Donc, de façon euh, grosso modo, je dirais, nous axons nos interventions, en tout cas, à ces trois niveaux de palier, notamment, comme je l'ai dit, la sensibilisation, les actions de, dénonciation et aussi justement l'action justement de, plaidoyer au niveau donc des gouvernants. Souley Oumarou, vous l'avez rappelé, l'existence euh, de ces institutions. Comment toutes ces institutions mises en place peuvent-elles véritablement contribuer à lutter contre la corruption Je pense bien que ces institutions, euh, elles peuvent agir effectivement contre la corruption. Dans un premier instant, parce qu'elles ont le pouvoir. Elles ont le pouvoir non seulement euh, de, de, décision, mais elles ont aussi des pouvoirs de poursuite. Donc, à mon avis, ce qui est important, c'est identifier les phénomènes de corruption. Et je pense bien que l'identification de ces phénomènes de, de, est possible lorsque toutes ces institutions-là allient dans leur cause des acteurs de bonne volonté qui sont des organisations comme euh, Afrobaromètre, comme aussi des organisations qui luttent contre la corruption, les organisations de la société civile qui luttent contre la corruption, et aussi des organisations qui luttent dans le cadre de la sensibilisation contre la corruption. Donc lorsque ces différentes institutions euh, s'approprient de ces initiatives et, associent ces différents justement acteurs, je pense bien qu'il est possible là hein, pour euh, ces institutions d'identifier le phénomène et d'identifier les problèmes afin d'agir. Mais tout cela n'est possible que, comme euh, je l'ai dit, que lorsqu'il y a une volonté, je dirais, réelle et manifeste du politique, lorsqu'il y a un soutien justement donc de ces différents acteurs pour que effectivement cette corruption soit jugulée. Et il faut aussi une participation des citoyens de façon générale. Et cela ne pourrait être atteint que lorsqu'on a euh, comme c'est notre credo, des citoyens responsables, des citoyens qui sont capables de dénoncer des faits de corruption vus, perçus, lorsqu'il y a des citoyens qui refusent d'aller dans le sens de la corruption, qui refusent la corruption, je pense bien que euh, cette corruption, je pense bien peut être euh, réduite. Dans tous les cas, je pense bien que c'est un problème de société. Donc la réponse globale, c'est une réponse de changement de mœurs et le changement de mœurs ne peut avoir des déclic que quand il y a des exemples. Parce que tout le problème, c'est quoi Je vais vers la pollution parce que j'ai dit, mais non, écoutez, tout le monde fait la pollution, tous les gens et c'est pourquoi pas moi. Mais lorsque le citoyen ordinaire, le citoyen le plus faible constate qu'elle est sanctionnée, lorsque le citoyen le plus fort est sanctionné, ben, on se rendra compte que euh, ce n'est plus possible de la faire comme on est en train de la faire, et les gens, effectivement, seront obligés d'aller moins vers la pollution et avec le temps, le phénomène va se rétrécir. Maman Wada, un Niger sans corruption est-il possible C'est notre vision, en tout cas, à Transparence internationale. Et ce n'est pas impossible. C'est peut-être un travail de longue haleine sur plusieurs générations, mais avec la volonté, une volonté politique clairement affichée, très ferme, je pense qu'on peut s'en sortir. Ali Bako, comment utiliser les enquêtes d'Afrobaromètre pour réduire la corruption au Niger les résultats de nos enquêtes ne sont pas en soi des actions, mais je pense que nous sommes, en train de donner des outils de prise de décision ou de, prise de position euh, aux décideurs, à la société civile, aux étudiants, aux, chroniqueurs, tous ceux qui pensent euh, lutter contre la corruption, nous leur donnons des moyens, des outils pour mieux euh, mener leur lutte. C'est ça l'afrobaromètre. mais je pense que au-delà de, cet outil que nous, supplémentaire que nous donnons à la société civile et aux décideurs, nous pensons que la lutte contre la corruption, c'est un processus qui est lent du fait de, la nature mutante et complexe même de la corruption, et, mais aussi du fait de, preuves avérées. parce que, vous savez, nous sommes dans un état de droit la dénonciation seule ne suffit pas. Il faut quand même mener des investigations, établir les faits, euh, faire des instructions. Vous savez, c'est très complexe et ça prend du temps. Euh, en soi, la justice prend beaucoup de temps euh, dans ses, actions et dans ses... Donc voilà, il ne faut pas non plus jeter l'eau du bain avec le bébé. Je pense que, comme l'a dit Maman Wada, c'est un processus que pierre après pierre, nous sommes en train de monter, chacun à ce qui le concerne et qu'en fin de compte, je pense qu'on y arrivera, même si peut-être que nous, on ne va pas assister à ça. Mais quand même, je pense que c'est... moi, je prends l'exemple sur, sur des pays. Hein. Si vous voyez le, le, Rwanda, par exemple, il est sorti d'une guerre, il avait pratiquement pas d'État. Mais euh, avec l'abnégation, le, concours des, des, citoyens, un pouvoir fort, ils sont arrivés à ce qu'ils sont, parce que maintenant le Rwanda est cité comme exemple ici en Afrique. Et donc, euh, le Niger aussi n'est pas euh, peu, je dis bien peu, si les actions politiques et citoyennes sont se converger et qu'il y a une synergie de lutte contre la corruption. Je pense que euh, à la longue, nous y arriverons. Maman Ouada, quelles sont vos recommandations pour réduire au mieux l'ampleur du phénomène de la corruption au Niger Il y a deux axes stratégiques. La prévention, il s'agit d'éduquer les jeunes. Non, je dirais les, plus jeunes, les élèves, les enfants. Il faut leur donner une bonne éducation. Il faut les former, les éduquer dans le sens de l'intégrité, de l'honnêteté, de la justice, du travail bien fait, du mérite, ainsi de suite. Je pense qu'il faut les orienter vers ces valeurs-là. Deuxièmement, il faut sensibiliser la jeunesse en général, hein, et même les adultes. Il faut les sensibiliser il faut euh, leur ouvrir les yeux vers la notion du devoir et des droits. Il faut qu'ils soient des véritables citoyens. Il faut que l'intérêt général soit l'aval, la première référence. L'intérêt général est au-dessus des intérêts particuliers. Il faut que cela soit internalisé par tous les citoyens. et il faut, la deuxième manche, le deuxième axe, il faut punir. Il faut punir rigoureusement il faut que tous les citoyens soient égaux devant la loi, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur position politique, quelle que soit leur position, euh, je dirais, stratégique dans le fonctionnement de la vie sociale, s'ils sont en, infraction à la loi pénale, en tout cas à la loi, par rapport à la corruption, il faut les punir. Et par rapport à toutes les infractions, il faut les punir. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. Si on va sur cette base-là, je pense qu'on peut s'en sortir. L'ensemble des invités euh, sont unanimes sur l'ampleur euh, du phénomène de la corruption, invite par conséquent l'ensemble des acteurs à mieux s'investir euh, pour arrêter l'hémorragie en refusant et en dénonçant, mais aussi et surtout à travers un changement de mœurs, à travers également certaines valeurs telles que l'éducation. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Ali Bako du laboratoire d'études et de recherches sur les dynamiques sociales et le développement local LASDEL, Maman Wada de l'association nigérienne de lutte contre la corruption ANLC section en transparence internationale à Niger et en ligne nous avions Souley Oumarou président du forum pour une citoyenneté responsable FC Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.